solidaire. C'est-à-dire, municipalité doit créer un link direct entre la production, la transformation et la consommation. Les cantines scolaires vont absorber une partie. Et c'est là la pertinence d'avoir ces cantines scolaires-là. Et donc, ça, ça, reste toujours pertinent. faut dafa bëgg lekkantu dafa bëgg ay gerte suukar ay euh, euh, yu demee noonu caaf jaabeere des trucs comme ça il faut euh, euh, donc il faut créer le link pour que les gens Utilisent utiliser enfin la monnaie locale ou monnaie complémentaire doit concurrencer le CFA donc remplacer le principe c'est quoi Dans les émettre des billets des bons les gens vont s'organiser par communauté C'est une échange ci bons et maintenant CFA bi ñu yoroon moom dañ koy joxe comme épargne loolu ñi dajal non day constituer ben épargne bu solide bo xamné mën nañ ko utiliser ci yenen investissement yo xamné ñun soxla nañ ko mais avec un mécanisme de sécurisation des dépôts de ces gens là C'est moy principe euh, euh, monnaie locale amna ñu ko commencé won def fi Sénégal BCEAO bloqué ko et pourtant je vous ai cité des références je peux vous donner des sites internet la ville de Nantes c'est koy France aujourd'hui en France il y a 120 communes qui ont la monnaie complémentaire aux États-Unis il y en a en Angleterre y communes des Bristol ils expérimentent la monnaie complémentaire une ville commune Ici, nous commençons à ko c'est de l'émission illégale euh, de de d'écriture monétaire comme et j'ai dit dans la mesure de ce qui sera permis commune bi bëgg expérimenter parce que Casamance c'est une spécificité mooy communauté bu forte bu am doole boo xam des liens socioculturels extraordinaires toutes les ethnies réunies communauté moi mooy def monnaie complémentaire parce que faut lay une ci communauté bi maintenant échange communauté avec le reste c'est le CFA qui va continuer à le faire. Donc, c'est, c'est, il faut bien comprendre le principe. Ça n'enlève à rien notre combat pour la souveraineté monétaire dafa nous ñu débarrasser de la France qui une monnaie. Tout le tout ne du monsieur monsieur France dégage vous nii moom alors <coughs> le reboisement mon programme là reboisement dans tout le périmètre. C'est pourquoi il faut que les communes de Bignona, il faut qu'on les gagne. le département de Bignona. C'est extrêmement important. Parce que déforestation, côté Bob le Gueneuf faisait ça quoi. Et il y a tout un travail à faire. Et dans une intercommunalité très forte, avec des programmes de reboisement bien articulés, bien planifiés, je crois que mun nañu reprendre très rapidement parce que li fi newoon jógewu fi on a toujours la même pluviométrie d'ailleurs ces deux dernières années dafa dellu siwaat taw bi am na donc ndox mais avec la complicité des autorités étatiques parce que ku mun a dagg ay garab garab du du butéel bi donc ko dugal sa poche dagg ay garab ça boo koy dagg foo nit toll yaa ngi dégg sii dagg ko def ko ci ay camion wala def ko ci ay saret traverser dem Gambie ana état bi où est l'état du Sénégal c'est là où il faut poser les vraies questions parce que c'est une fuite à l'avant de l'état mais faire des programmes de reboisement ça peut être de notre sorte alors les plateformes économiques man vous savez ce qui se fait à Boutout c'est bien sauf que souvent d'un koy utiliser pour toutes sortes maintenant de prévarication foncière Voilà nous ne mais que nous def un un agropole à Boutou c'est une bonne chose c'est une excellente chose même et nous allons accompagner et je ne suis pas là pour dire c'est-à-dire si on est maire président du conseil départemental nous, ñu état collaborer Il collaborer faut pas être là dans une histoire de Ousmane Sonko Macky etc. et cetera collaborer collaborer c'est tout il y a des services de l'État qui sont là. L'urbanisme, les impôts et domaines. Qui fait le recouvrement des impôts Ce n'est pas les impôts et domaines. qui, accompagne le recouvrement Ce n'est pas l'urbanisme et le cadastre. C'est les services de l'État. On va travailler avec eux. Parce que tout le tant la décentralisation, il faut permettre aux collecteurs locaux d'avoir leur propre administration comme dans, dans des pays développés. C'est que nous recommandation un petit livre. Si vous lirez le livre, vient de sortir Moi, ne serait-ce que niveau départemental chaque département nous am toutes les administrations du département complètement autonome de l'État central nous couvrir toutes les communes de ce département en matière de d'impôts en matière de trucs et ça on s'est rendu compte que les collecteurs locales digéré par eux-mêmes Faut ñu que l'État état pour les collectivités locales c'est le cas des impôts et je l'ai démontré c'est des chiffres l'État, état les li locaux, locales yi par eux-mêmes def cette assiette Faut ñu ëpp rendement que l'État nga collecté ne état parce que les agents de l'état ne sont pas motivés parce qu'ils ne sont pas rémunérés sur cette ligne là sont pas rémunérés Ils ne sont pas félicités pourquoi ils vont se presser pour le faire donc en attendant d'atteindre ce niveau là Nous, allons ñu wax mooy euh, collaboration dañ ko donc ça il ne faut pas créer d'amalgame sur ce point-là en pensant qu'on a dit qu'on travaille avec personne. D'ailleurs, l'administration Bob, c'est notre administration à tous. Le fait d'identifier Macky à l'administration est déjà un problème. L'administration est républicaine. Elle n'appartient à personne. Yo, y a droit Macky Sall, citoyen sénégalais. Alors, donc, faire cette plateforme. J'ai parlé d'industrie, j'ai donné le cas de l'ANACAP. C'est valable pour tous les autres. Les investisseurs seront les bienvenus. Mais nous avons affaire au Nogot Yoyi Def Makisal. Nous les marchés surfacturés, nous euh, avons ma des impôts, etc. Et puis je m'en vais. Ce sera du gagnant-gagnant. Et nous allons commencer par les Casamancés même, les Sénégalais eux-mêmes. Nous allons partir partout pour convaincre les gens à venir inverser. avec 300 millions vous avez une usine la carte. au Vietnam andi ko monter ko euh, ñu le personnel avec 300 millions vous avez ça vous croyez que si vous allez la diaspora sénégalaise par affinité autour des daïras, autour des communautés nyom par affinité nous avons 500 millions nous def une usine am fonds de roulement c'est ça qu'il faut faire. Il faut compter sur nous-mêmes. La Chine a été développée par les Chinois, la Turquie par les Turcs, le Japon par les Japonais et le Sénégal pense que c'est la France qui va le développer. D'où Moussa Am. Amout. Et enfin, euh, moi je pense que c'est li atongen Bougadef limite. Ziguinchor, la Casamance, a besoin d'autorité mondialement visible. Pourquoi vous pensez qu'on doit avoir un tout petit maire là que personne ne connaît Il faut avoir un maire bon Chaque jour, quelqu'un qui tapé aux États-Unis voilà, en France pour dire Ousmane Sonko, je veux voir son actualité. C'est ça qui fait la grandeur euh, de, de l'image qu'on doit recevoir. Mais pourquoi vouloir avoir un maire que personne ne connaît nulle part non parce que une ville maire ça intéresse beaucoup de gens dans le monde parce qu'ils suivent déjà cette personne et le travail c'est pas Ousmane Sonko qui sera là à faire tout le travail nous sommes une équipe c'est l'équipe qui va faire le travail c'est pas une personne c'est pas un groupuscule et cette équipe là va travailler avec tous les citoyens j'ai dit chacun et chacune d'entre vous considérez qu'à partir du 23 vous êtes des maires vous êtes des conseils. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, ce n'est pas la bonne conception de penser que, voilà, signer Ousmane Sonko est-ce que ça ne peut pas plomber parce qu'il a des ambitions présidentielles Mais toute commune aimerait avoir un maire Mohamed tout ailleurs dans le monde. Et ça facilite justement le, le, marketing autour de, de cette commune-là. Donc pour moi, je crois que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Je crois avoir fait le tour de la question. Les gens semblent très fatigués. On, prend trois minutes pour conclure. Trois minutes, on est d'accord Trois minutes. Très, rapidement. Euh, ça me revient. Parce que j'ai lu le programme et je n'ai nulle part, fils fenn ci programme bi parce que sank ci sama kàddu maa ngi doon wax ni que ni université dafa nekk ville ci biir ville bi euh, li fay yeewoo ci ndongo ak ñi fay liggéey du personnel administratif technique et de services ak ñi fay jàngale euh, et je parle sous le contrôle justement du vice-recteur Alassane Diédhiou euh, presque toll nañu 10 000 âmes. Et rien que le rectorat, c'est presque 5 milliards de budget. Cous, à peu près 3 milliards. Donc, université, si administration, c'est 8 milliards. 8 milliards, pratiquement, le fil consommer parce que les gens vivent ici. Or, la commune, son budget, c'est environ 2 milliards. Et pourtant, ci le programme dans le gisuma ci fenn ñuy une université xanaa ni ñuy un incubateur pour former est-ce que nous vraiment euh, partenariat bu dynamique bi nga xamanteni dina tax aussi université mëna qui est euh ci doxalinu commune bi euh, euh, ndax lolu am ngeen ko wala déet. merci merci monsieur Dia bon université d'abord première difficulté c'est pas de la compétence de la commune donc l'un ciy def qui ci waxtaan premier jafé jafé. Euh, l'enseignement supérieur n'est pas un domaine de compétence transféré maintenant nous avons créé une charte un cahier complet pour que collaborer parce que li ngay wax déjà xalaat bi mu mangi wax les cantines scolaires mais quand même c'est 8 milliards ça nous intéresse dans le cadre de l'économie sociale et solidaire je veux que vous profitez à nos braves femmes là qui font un travail extraordinaire collaboration bi ni incubateur vous en avez déjà Nous nañ ci l'expérience. expérience mais tout ce qu'on veut faire ci volet numérique volet numérique Pas mentionnant mon document mais ça va venir nous avons dit qu'il fallait jëli des étudiants qui sont formés dans ça et qui peuvent aujourd'hui anticiper sur un certain nombre de choses nous avons dit ci examiner mais c'est une chance pour une ville d'abriter une université donc nous avons des nag du des offres des propositions pour nous améliorer cette collaboration-là qu'on tire le mieux, le, plus possible de l'université, l'université qui tire le plus possible des actions de la commune également. Et sous ce rapport-là, soyez sûr parce que, par exemple, beaucoup de objectif c'est comment euh, inciter beaucoup plus les jeunes dans les disciplines scientifiques djangoro Sénégal globalement on a énormément de littéraires très peu de scientifiques am pour rattraper un gap de développement faut former des scientifiques depuis le bas âge et l'université peut aider à concevoir ces programmes mais également à mettre à disposition euh, des enseignants des universitaires comme des étudiants euh, pour programme pour former les gens programme pour que les gens puissent accéder à des, formations complémentaires chez eux à partir de l'outil informatique vous société sur cette ci commune 2.0, le e-learning e-learning euh, euh, e-learning e-santé bi euh, digitalisation commune bi ci je crois que c'est des aspects une collaboration très fructueuse entre l'université et la commune toutes les communes d'ailleurs tout le département, le terroir. Moi, de territoire, j'ai parlé de territoire. De société, c'est vrai que code des comptes local, changé Gounouko, nous collecte locale. Mais il y a un décret pour dire que désormais, l'appellation collecte locale est remplacée par l'appellation collectivité territoriale. Un territoire, c'est pas une localité, c'est beaucoup plus. Moi, territoire pour le moment c'est virtuel en fonction de li ñuy gagné ci commune on saura que fii la mais ñi a ci de sax te bëgg a ñëw ñi ñu bokkalul te bëgg a ñëw de Toussaint Si le département xam nga ni day bokk ci sont euh, qu'elle def kenn et c'est ça donc territoire boobu là lan nous ñu de l'université ak lan la université tirer du territoire ça on va y travailler ensemble Inch'Allah. en tout cas on a fait le tour de la question ñoo ngi gërëm ñépp di sant ñëpp di leen masaw ndax euh, lii yombut am lii yombut a am ndax ñi teel ngeen fi ñëw toog ngeen fi ci naaj bu tàng yéen a ngi fi boobu ba léegi xam naa ni am na ñoo xam ne sax ci yéen añuñu waaw ñi sant baa baaji moom suñu paree ñu jaar fële rek ma jox leen dara ak ñi sant Jéeme alors ah. donc xam nañ sonn ngeen trop ñu ngi leen yi masawu mais lii dafa wane lu am solo loo xam ne li ñu bëgg ngeen xam mooy quand je vois du lu moy feug sama bopp di bakku xamna ni li homme politique yi ko am wut amul wala peut-être sax amul amul waaye du lu ñuy feug suñu dënd di bakku ah. yeen ñi fi ñew ñepp joge fu sori yenn say amul kenn ko xamne ne na sama 100 francs jox la dama bëgg dama bëgg wax ni responsabilité ngeen tek ci ñun c'est pourquoi mbir mi lu mu jaar yëpp dinañ ko def

Oui, nous ñu c'est une victoire large aussi bien qui score mais également géographiquement nous gagner le maximum pour ne pas dire toutes les communes bu ngeen ñu la TNS ça relève de nous et on se un rendez-vous jour après jour par rapport à qui est posé et par rapport à la bi ngeen ciy avons nous réseaux sociaux Dylan, leen souhaiter un bon retour chez vous merci beaucoup. voilà donc euh, yéen ni donne nous doon suivre sur la page Barthélémy Dias l'officiel donc nous ngi les remercier xam Dylan, di leen ñuy tàggatoo ba beneen